Moi c'est Natacha. vous pouvez m'appeler par Nat. J'habite Beau, j'ai 23 balles. Faculté de droit. Je suis aussi célibataire, mais pas désespéré comme ma mère. C'est là. Merci d'avoir pensé à moi. ndax xam nga ni wéruma Lamine soo ko porté plainte man mii ngay sonal waaye lii mu la def du yow la violé man mii la violé mais je vais lui montrer de quel bois je me chauffe man doom duma yaakaar di ma sa didi sababu nde Dieynaba ba ana géré anndaal gere didi no muusikame makko gere didi no muusikame makko Dieynaba gila nde o jibina do fotno wonde ko gorko wonani gorko woni debbo nde woni debbo ndene wadi kam désolé nden wadi kam désolé par ce que jewguiñiraɓam ɓe holmo jiiɗa do hande omo ayne ah être dans l'état est certes un privilège et en contrepartie il faut les aider sénégalais lambda mais en vrai on est tous sénégalais lambda ma reer ngeen bu baax rek vous avez ridiculisé tous mes cuisiniers <laughs> c'était délicieux